Franchement, c'est une fierté de jouer à Dakar. Franchement, c'est un honneur. Et voilà, en plus, c'est la première fois que je viens ici. Et avec la victoire, franchement, c'est quelque chose d'important. Ça s'est super bien passé. Franchement, rien à dire. Les joueurs ont tous accueilli des bras ouverts. Le staff, les dirigeants. Franchement, il y a une bonne ambiance et c'est vraiment super. je sûr que voilà, on a essayé, on a beaucoup tenté. franchement, ça s'est vu. Et voilà, on essaye de continuer, d'avancer, de progresser. Oui, je pense que le match, euh, dès, dès, les premières minutes, euh, et euh, comme nous, le public sénégalais de Don Après, voilà, ça a été un match bon, a nous avons confiance et puis euh, on, a, on, a, réussi à gagner ce match, c'était ça l'essentiel. Bien sûr que je suis satisfait du, euh, du résultat. C'était dit sur suñu suñu kanam public et puis euh, public don nañ euh, ñu pour euh, au moins satisfaire même si peut-être sur le dernier match ici avant avant la carte. en tout cas nous remercions le public sénégalais et puis nous len wax ça fait du bien parce que ça fait ça fait longtemps que voilà Moussa Konaté nekkatu une équipe nationale à cause sa blessure mais là voilà ñëwaat naa dugal bi ça day gën a confiance et puis euh, gën York en envie ñu gën a